Votre ami euh, de toujours Rabia Mekano. Aujourd'hui, nous nous penchons sur la question de l'inclusion de la jeune fille. C'est l'un des études menées par l'ONG Plan International dans le monde en 2021. Les filles restent les premières victimes d'inégalités. Environ 130 millions de filles dont l'âge est compris entre 6 et 17 ans ne vont pas à l'école dans le monde. masu ne Et c'est pour éviter cela qu'au Niger, une loi a été adoptée pour protéger la jeune fille en cours de scolarisation jusqu'à ses 16 ans. L'État a adopté et ratifié des instruments juridiques internationaux, régionaux et nationaux pour réprimer certains actes qui violent leurs droits, tels que le mariage des enfants, les mutilations euh, génitales féminines wannan kuma wani babban ci gaba ne aka samu a cikin fannin kariyar hakkin ɗiya mata a fadar mu ta yau muna tare da ƙungiyoyin matasa masu yaƙi da wannan kariyar hakkin ɗiya mata a ƙasar tamu ko yaya ne mi muke ciki a cikin tahiyar duka abin da ya shafi incin da hakkin ɗiya mata Quel est l'état des lieux concernant les droits de la jeune fille ici au Niger Est-ce que toute cette batterie de lois est appliquée Comment le respect des droits de la jeune fille contribue au développement du pays. Musique, rubrique et chroniques seront également de la partie. À cette émission, aujourd'hui installée à la place Anoutab, en plein centre-ville de Niamey, à place Anoutab, en face du ministère de l'Agriculture, nous sommes avec Adam Agarba Abdou de la cellule nigérienne des jeunes filles leaders. Bienvenue sur Tout ça la Fada. Lui, il est du Youth for Human Rights International. Haka ne. Ça va? Ça va très bien. Tu vas bien? Je me porte bien. Ina iya cewa kai kana cikin wata kungiya ta matasa da ke kariyar incin dan Adam. Haka ne? Dan Adam su ma a yara. Kai ma barkan ka da zuwa fuskantar fara. Barka. <laughs> Salamatu Umaru kwatanta mini. <laughs> Shi impact. Elle a de l'impact. Elle a de l'impact. L'impact. Littéralement traduit en français. ok Kenan iya mata suna da suna da daraja suna da makamin su suna da suna da ƙari suna da ƙari wala okay kun shi dai ko muna tare da Fisatu Hamadu Salai El elidu de structure bonjour ya mata muna da ƙarhi muna da kari ko sosai ma <laughs> d'accord a wannan fadar muna tare da bakuwa da ta zo muna daga Togo sunanta Farida Mustafa elle, est coach formatrice en art oratoire, mais elle est également membre de la structure Négresse féministe. Oh là là, ça c'est du lourd là. <laughs> Farida Oui. Ok Négresse, on l'assume. Féministe, on l'assume. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Sois la bienvenue sur tout ça. sois la bienvenue au Niger. Merci beaucoup, c'est un plaisir. matin, <laughs> Yamata, soit une fille sur dix de moins de 20 ans ça fuskantar tu zarafi a bangaren sa cikin Tu wane ne ke quelqu'un peut nous rappeler les droits de la jeune fille la mhm. euh, la jeune fille elle a droit tout d'abord à l'éducation. Elle a droit à tous les droits qui sont dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Il n'y a pas de distinction normalement avec euh, les garçons, il n'y a pas de distinction avec les grandes personnes ou quoi. Mais dans la réalité, on, voit que ce n'est pas le cas. On trouve okay, que le... maza, à la santé, à l'éducation, euh, à l'alimentation, euh, ok. Mais le problème c'est que dans la société, c'est ku gani an maza yahi ya kamata ya tafi lakol ya mace kuma ya kamata zama gida shine alors rabia arama bonjour bonjour ça va euh, matsalar da ake samu wace irin matsala ce wurin aikatawa eh. akwai shi an rubuta ga takarda hori ga baki gashi wanda yake amma aka ce ai aiki da shi shi dai ne matsala nan dai ne muke fuskantar babban matsala Oh, ok. Et eh, en partie, euh, en grande partie, shi ya samu muka tare a nan. Shi ya kawo. Vraiment, il y a un souci. Inshallah. <laughs> To, kuma a nan kasar mu. wani ne aka hi aka hi ba karhi a ganin ku cikin tahiyar da muke nan gani fisan zojen a cikin kasar mu duka cikin wa'annan durwa durwa kin wannan haki haki dai na diya mata wani ne kika an hi ba karhi a kasar mu to muna cewa da wurin na ilimi mm. ana nan gibi dan a yi bisan shi mai har yanzu sai pas suffisant mm. on parle de scolarisation de la jeune fille mais ce n'est vraiment pas le on parle toujours de ça actuellement mais ce n'est pas respecté. Peut-être nous qui sommes ici à Niamey, on est privilégiés, mais ailleurs, ce n'est pas ce qui se passe vraiment. Ok. on dit qu'il y a une loi qui parle de ça, mais elle n'est pas vraiment appliquée et les gens ne font rien pour qu'elle soit appliquée. Ah ce n'est pas cohérent. Ok, d'accord. De Saoura. D'accord. Je viens direct à ma deuxième question. Dans Zorojan, le seul, <laughs> l'homme avec nous, le jeune homme avec nous. <laughs> déscolarisation, exclusion, mariage des enfants, grossesse précoce, esclavage, trafic, exploitation, matsaloli da ɗaya mata suke fuskanta a faɗin duniya suna da dama. Kuna kuke nan kuna aiki bisa kan harkan bisa kan kariyar euh, hakkin ɗan adam musamman ma na yara. Pour ceux qui du Niger, quels sont les plus euh, pressants? cikin wanga abin duka da na maka site. A haka ne cikin a nan Nijar wanda mun ka yawan gani shine kawa auren ya mata mm, eh, mm-hmm. da gaggawa da mm. gaggawa kamar a eh. gaggauci kamar tun suna da wani shekara ana musu mazan ana musu aure a kuma a doka ta Niger a ta ma kamar ta gwada ta gwada ta nan ke cewa kawa duk eh, kamar du eh, yaro wanda bai kai shekara 18 eh wanda bai kai shekara 18 ba 18 mhm. kawo bai kamata ba kama a sa shi dakin armi dakin aure mm. eke kuma ekol suna mazan hita ekol eke kuma doka ta gwada ta ce kawo duk yaro ya kamata a ce ya kai shekara 16 kahin ya hita ekol kamar wannan ita gwamnati ne ke doka yaunin nan mm. kamar ta ta dauki wannan dokar ta dauki wannan dokar yaunin ta dora iska kamar abun ya zama daidai hmm. to a bangancin nan kamar akwai bangaren wadda ce dai ta auren 'yan yara da kuma bancin wannan na harkar makaranta sun gaye shi harkar makaranta da kuma wanga na kaciya da ake yi ma 'yan mata akwai ta har yanzu da karhi ana jin ta akwai ta anan ne yau anan ne yalla cikin capital cikin yamai ba a yi jin ta mai har yanzu akwai ta anan ne ke yin ta yake mm. akwai kungiyoyi da dama da kenan ke yaƙi da wannan duka matsalolin da ya mata ke fuskanta haka ne ok a ganin ku dai wannan dane dai suka hi tara ma mutanen hankali tara ma eh. ya mata hankali a kasar tamu ba su ne kaɗai ba je peux dire que c'est toutes les violences basées sur le genre ils sont encore là tous que ce soit le viol, exploitation sexuelle, exploitation, et eh, violence physique, euh, déni d'opportunités, déni de richesses, Les filles sont, euh, ils sont euh, exposées à tout, à tous ces problèmes. Elles sont exposées. Exact. Elles sont exposées à tous ces problèmes de violence basée sur le genre. Il y en a. <laughs> matsalolin suna da yawa akwai kuma wanda yalla ba a mazan magana da shi shine kama esclavage haka kama ba a yanke yin shi nan a garin ya mai kama cikin daji har yanzu abu ne da ake nan ke yi bauta eh, bauta na ayan mata kama <clears throat> an doka cikin akwai zonkin da ake nan ke yin shi har yanzu wanda ake ce ma kama triangle de la honte mhm. eh nan kama mutum yana da yancin ya ɗauki kamar ta hudu amma ban ci wannan kuma ya ɗauka wata mace wahayya mm. wadda ake ce ma kamar wahayci suke suke abun kinshi yake iya nan nata kamar su ne sai ku ga mutum mutum da ke da wahayin kuma ya ya ba ta ta kama a ah, sarka da aure kamar adam kwa a ba da kuma dokan Nijar babban eh, mutum bara ta sadaka haka kuma eh. dokar Niger duk ta hana wannan abu abubuwa ne duka da ake eh, fuskanta cikin harkar kariya mm. haƙƙicin 'yan mata okay. merci bien pour euh, vraiment ce tableau qui est dressé et on se reprend euh, juste après Samira Samira Dondi la machine te la je vais aller doucement je vais aller doucement bien <laughs> ça va bien salut comment tu, vas moi je vais bien ça va je suis en forme je suis aussi la tendance déjà je suis en sortie euh, tu vois, je suis un peu dans tes couleurs et je vais avec ton style. Mhm. Samira, on va bien évidemment euh, réunir les conditions sur cette émission pour permettre aux jeunes qui de te cerner en quelques minutes. Si je dis Samira, euh, qu'est-ce qu'il faut entendre par Samira Il faut entendre le monde cinématographique, OK. le monde de la musique mhm. et le monde de l'entrepreneuriat, tout simplement. Tout ça n'a rien que pour Samira. Commençons par le commencement. Samira Senidjingo, c'est ton nom. Mhm. Tu es née en quelle année On ne demande pas à une femme son âge. D'accord. Toutes les femmes sont des reines, certaines plus que reines que reines. Tes désirs sont des autres. On ne demande pas à une femme son âge. Mais tu as 26 ans. Ouais. Super. On va parler un peu de ta carrière. On va parler un peu du parcours en question de la combattante sur cette émission. On sait que tu as commencé par le rap. Tu as évolué au sein d'une formation. Nous, on t'a connu dans le rap. Euh, tu faisais partie, en tout cas, des femmes, euh, n'est-ce pas, rappeuses mhm. du Niger. Parlons de tes débuts dans la musique. Qu'est-ce qui t'a amené de la musique Bah, j'aimais et j'aime toujours la musique. Ok. Euh, du coup, j'ai commencé à chanter, rapper à l'âge de 15-16 ans. 15-16 ans Qu'est-ce qui t'a plus motivé Qu'est-ce qui t'a amené le rap, Samy C'était juste par amour, en fait. Par amour Tout simplement. Par amour, on peut tout faire. Mhm. C'est vrai. Alors, un rap je peux t'appeler Sammy Croisi, n'est-ce pas Quand je dis Sammy Croisi, parce que tu as évolué aussi d'une formation mhm. euh, Crazy Girls, vous avez mhm. quand même euh, déménagé, comme on dit, vous nous avez quand même égayé musicalement, vous avez représenté le Niger ici et à l'international. Elle est où euh, ta frangine Indira Indira va bien, je sais pas, ben, tu dois le savoir, elle est mariée, mais elle continue toujours à chanter. Elle continue à chanter Ouais. Donc, du coup, ça va. <laughs> elle n'a pas empêché de chanter. Par contre, moi, j'ai arrêté. Ouais, tu as arrêté. tu peux nous dire pourquoi tu as arrêté Bah, parce que. Euh, disons que j'ai toujours eu une idée bien claire euh, mhm. pour ma vie. Je savais euh, que je voulais faire de la musique à un moment donné et je savais que qu'à tel âge, je voulais arrêter de la musique pour me consacrer pleinement au cinéma. Donc, depuis mes 9 ans, j'ai tracé un peu mhm. le genre de parcours que j'aimerais avoir dans ma tête. Bien sûr, tout ne s'est pas passé comme je l'aurais souhaité, mhm. mais j'essaye quand même de de garder le cap en fait. Bien Donc, sûr. Arrêté Donc déjà le parcours en question de la combattante a été déjà tracé Ok, d'accord, comme un destin. De 9 ans à 15 ans ou de 15 ans à 20 ans, je dois chanter. Et de 20 ans à tel âge, je dois faire du cinéma. Ok, Irban le cinéma. On m'a dit que tu es passionné du cinéma. Qu'est-ce qui t'a amené dans le monde du cinéma bah, c'est un rêve d'enfant. Depuis que j'ai, comme je l'ai dit, j'ai tracé un peu mes, mes programmes depuis que j'avais 9 ans. J'étais trop fan du cinéma américain. Cinéma je rêvais rêvais d'être actrice à Hollywood. Wow. Et euh, <laughs> puisque euh, le cinéma du Niger a encore un long chemin à se faire, Bien je me suis dit, bah, je ne vais pas attendre euh, encore et encore. Peut-être que j'atteindrai pas Hollywood avant encore euh, quelques années ou peut-être jamais. Donc, j'ai voulu créer mon Hollywood chez moi, d'où Nigerwood. Non seulement ça va me permettre à moi de vivre mes rêves, oh. de réaliser le genre de film que j'aime, et en même temps permettre à d'autres jeunes qui ont le même type de rêve que moi mhm. de pouvoir euh, exprimer leur talent grâce à Nigerwood, tout simplement. C'est ça qui a amené, euh, n'est-ce pas, euh, Samira Jingo dans le monde euh, du cinéma. Quelques difficultés que tu rencontres en tant que femme ah oui, ben, des difficultés, je, ne sais pas si c'est juste lié au, au genre. Peut-être que c'est plus lié à l'âge, mais l'impression, je l'ai déjà dit plusieurs fois. Mais... C'est pas le genre, là, c'est l'âge. Oui, je pense que au Niger, mhm. le problème, c'est que au lieu que être jeune soit un atout, mhm. c'est plus un handicap. Les gens ont peur de te faire confiance, de te confier des gros contrats parce qu'ils se disent ah elle ou il est jeune, peut-être euh, il va aller faire le show ou bien ils vont s'acheter des, trucs un peu plus bling bling en fait. Donc là, je pense euh, qu'on n'a pas confiance en toi. Ils pensent que tu es jeune, donc que tu es plus. Euh, je ne dirais pas qu'on n'a pas confiance, je dirais il y a beaucoup de gens, beaucoup d'adultes mhm. qui nous font confiance. La preuve, on a, réalisé plein de choses, comme un film pour le G5 Sahel, qui est quand même une grande institution. Mm euh, en fait. On va parler de tout ça dans dans deux semaines. On va parler ça après. Je dis juste que parmi les difficultés, mhm. ce que j'ai remarqué, il y a certains vraiment qui ne font pas confiance aux jeunes. Et mhm. je dis que c'est dommage parce que ailleurs, être jeune, c'est plutôt un avantage. Bien sûr. Et donc confiance, euh, euh, n'est-ce pas, aux jeunes. Euh, Samira, l'instant est solennel. Puisque tu as énuméré déjà quelques difficultés que tu rencontres, tu veux dans le monde artistique, on te donne la possibilité de t'exprimer. Dis-nous tout ce que tu as au fond de toi pour qu'ensemble nous puissions changer les choses. C'est ça aussi l'objectif en question de cette rubrique. Déjà, ayez confiance aux jeunes. Nous avons des jeunes tellement talentueux. Nous sommes conscients, nous savons ce que nous voulons. Et si vous ne croyez pas en nous, euh, ça ne fera que nous freiner en fait. Parce qu'on a l'impression qu'on a beau se battre euh, beaucoup de fois, euh, sans le côté relationnel, ça ne bouge pas. Parce que tu, tu peux voir que tu, tu travailles mieux que euh, beaucoup de personnes et voir des gens qui ne... Excusez-moi du terme, qui ne foutent pas grand-chose en fait. Avec des choses, euh, disons, minables ou passables, mhm. mais qui, qui s'en sortent. Mhm mille fois plus que toi parce que voilà, c'est une affaire de je connais un tel, je connais un tel. On est tous Nigériens, il faut qu'il y ait de la justice, il faut qu'on mette le talent et le travail en avant si on veut que les choses euh, évoluent en fait. Le talent et le travail en avant dans le monde du cinéma et aussi dans le monde artistique puisque l'émission est consacrée à l'art et ceux qui le pratiquent. Le message est clair. Et Tout de suite, c'était euh, l'artiste s'exprime avec euh, Dondi. On revient à la FADA, aujourd'hui installée à la place Anoutab en face du ministère de l'Agriculture. Duk abin da shahi, in kariyar hakkin Mine ne ake nan gayi? Me kamata a ƙara yi? Amunan namu na yau. A wannan fadar muna tare da Gista Attaher, shine kuka a ɗazu. Euh, lui, il est de Youth for Human Rights International ok abin da kuni wata wallahi sai shi pronunciation kin muna tare da Adama Garba Abdu Nafisa Hamadu Salai Farida Mustafa qui nous vient du Togo Farida zan zan leko washanki Salamatu Umaru yanzu zan zo wajen Farida Farida euh, t'as bien entendu euh, même si euh, en partie c'était à Hausa quand même le Niger au Togo on a les mêmes réalités oui, c'est vrai que euh, au Togo, beaucoup d'institutions, beaucoup d'organisations se battent beaucoup plus pour le droit des, jeunes filles, le droit des femmes. Mais il faut dire quand même que les réalités restent les mêmes. Peut-être qu'au niveau des chiffres, ça peut un tout petit peu changer. Pourquoi je le dis Parce que quand je suis arrivée, j'ai eu l'occasion de beaucoup discuter avec la, coordinatrice de l'événement qui sera organisé très bientôt, euh, je parle bien sûr de Amina, et elle m'expliquait un peu les réalités du Niger. Comment est-ce que les cas de viol sont recensés Comment est-ce que les cas des, mariages forcés, de l'excision et j'en passe En réalité, si je prends le cas de l'excision par exemple, au Togo, on n'en parle plus vraiment. Surtout que ce n'était pas vraiment dans nos traditions. Il faut s'y partir de là. Le cas de... Mais pour les autres violences basées sur le genre, allez, ça abonde. On va parler des, du mariage forcé ah dans une ethnie qu'on appelle les Cotocolis. Et je suis justement Kotokoli. Parce que, comme je le disais, on a plusieurs ethnies. Les Évés, par exemple, on ne parle pas de mariage forcé. C'est beaucoup plus libéral. Mais chez nous, les Kotokoli, on parle encore de mariage forcé. On parle encore de mariage précoce. Vous voyez On ah parle aussi des violences conjugales. Donc, c'est pour dire que ces, ces, problèmes de jeunes filles, de, femmes, on les retrouve partout, partout en Afrique. Mais sur la question de l'éducation Sur la question de l'éducation, euh, c'est aussi un aspect qui est euh, sur lequel on travaille beaucoup plus. C'est vrai, il y a encore des jeunes filles qui n'ont pas accès à l'éducation, mais quand même l'État fait des efforts, l'État met des lois en place qui sont un tout petit peu respectées, <laughs> pas totalement. Mais beaucoup plus de, filles, de jeunes filles ont quand même accès à, l'éducation. Oh, C'est pas encore à 100%, mais ça va. iya mata suna fuskanta irin wannan matsalolin kamar abin da ya shahi eh, arman dole da arman yara kankana amma bisa kan abin da ya shahi kamar kacar ake ma iya mata kudancin eh, ba su da wannan matsala dai su kuma bisa kan abin da ya shahi ilimi dai ku dai an samu ci gaba mun gode da wannan bayan da kika bisa kan kasar taku zan mu dawo a ran kasar mu kuma <laughs> kuma ina so in sani eh adama le les son de droit des jeunes filles leur épanouissement, leur éducation au Niger. Alors, Rabia, pour parler du frein qu'a les violations des droits des jeunes filles au développement du pays, je dirais que euh, on sent déjà l'impact. On le sent, sans, peut on n'en parle pas ou bien on en parle euh, d'une autre façon, mais on le sent. saboda in kin ɗauka yarinyar da aka huda daga makaranta tana da shekara goma sha uku ko goma sha hudu aka kai ta gidan aure gidan aure nan shekara ɗaya biyu ta ɗauki ciki ta dawo elle va se retrouver avec une fistule shirama parce ba ta kai shekarar da za ta ɗauki ciki ta yi goyon ciki har eh. ta yi eh, ta aihe shi da duk abun da ya kama da hakan ga eh. kin gani nan ya kawo furen bisa mi bisa kan Abin da ya shahi kiwon lahiya bancin shi an hudata daga ekol yau ba a san avenir in wace ya aka zo aka yi arashe ba takan yi wa wata likita ce nan gaba takan yi wa wata madam ce nan gaba takan yi wa a wata depute ce zata zo ta yi ta, ta, zamna ta kawo kokarinta bisa kan dokokin da za a ɗauka me wannan aure da aka yi mata da shekara goma sha uku ya yi antravel wannan ya kawo ƙarshen gurin wannan yarinyar parce que on le voit souvent les jeunes filles victimes de fustules sont généralement répudiées au retour par les maris À 15 ans tu es déjà divorcé À 15 ans an sake da shekara goma zawarci shekara ya aka ce ki nafisa cikin wani domaine ne aka hijin tasirin wannan taushe hakkin ɗiya matan don quel domaine ça se ressent vraiment euh, le plus ou c'est vraiment palpable wannan zan bi abin da adama ta ce ko ina ne wannan hmm. ko wani domain haka nan ne ana jin shi sai palpam don ba i cewa a ta da kasa babu rabin rabin mutanen kasan battayowa foka ce mata ma an sa su kin incin su samu su ma su yi abin ga su sa karhin su yi yaki saboda tahiya saboda tahiya kasar ba da aha yawa ci cigaban kasar ba cigaban kasa kuma yanka zo wurin auren yara kanana na 'yan mata ita wadda bata sami education kin kirki ba ba za ta yi ta edu kan yaranta ba kenan tun daga nan an kace tun rasinin education in une fille qui n'est pas bien éduquée peut éduquer des, des enfants encore. Du coup, on va créer une autre chaîne une autre génération encore. De euh, non éduqués et on perd toujours. On est là en tant que pays en voie de développement, mais jusque-là, on n'est pas encore pays développé. C'est à cause de toutes ces choses qui sont encore là, qu'on doit avoir déjà réglé depuis longtemps, mais on est encore là-dessus, ce qui nous freine beaucoup. Ouais. Donc, comment euh, Niger euh, tana kasashen beaucoup de textes ratifiés et tout musamman bisa kan kariya haƙƙin ya mata à l'exemple de l'adoption des objectifs de développement durable adoptés en 2015 jusqu'en 2030 où est-ce qu'on en est Il y a une kuna euh, application manque d'application euh, qu'est-ce qui bloque à ce niveau Ils ont a tahir à da saba a volonté politique il n'y a pas assez de volonté politique selon toi Voilà, il n'y a pas assez de volonté politique dans le cadre fait, <clears throat> de la mise en œuvre de tous les textes qu'il y a. À part cela aussi, on peut dire c'est comme une défaillance qu'il y a. Il y a une défaillance au niveau de, de ceux qui sont chargés de la mise en œuvre. Les gens ne travaillent pas assez, si on peut le dire. Peut-être mm. mm-hmm. si, on peut le dire. Comme Mm. don sai ku ga a wani bangare sai a ce hawa ya kamata a ce kayan shekara ta mutu a ce a samu bangaren eh, yara 'yan eh, mata 100 sun za a samu a kai ikon cikin su sai a ce a ba a samu ɗarin ba a lokacin an ka zo an ka zamna an ka gani kama cikin 'yan mata da suke da basu ke zuwa ekol diyawa ne suke kama an kawo an ka program ko wani proje haka na sa 'yan mata kama aiki ne mutane ba su ke yi na abun ya ya ya mm. kina c'est forcément lié mm, non il y a, pas y a autre chose encore il y a pas que ça uh-huh. parce que vous allez voir certaines organisations vont vouloir euh, euh, aider les gens, mais il y a la mentalité. Il y a la mentalité, ils refusent l'aide, ils refusent d'envoyer leurs enfants à l'école parce que pour eux, c'est pour les blancs. Il y a la mentalité, il y a plein, plein de stéréotypes qu'il faudra déconstruire parce que c'est ça qui nous bloque. Hmm. Sincèrement, c'est ce qui nous bloque. Aujourd'hui encore, le viol est, tabou. Quand une personne est violée, on ne prend pas en compte le trouble psychologique qu'elle a eu, on ne prend pas en compte euh, le suivi psychologique dont elle a besoin. On va plutôt dire, ah non, on va pas en parler, sinon elle n'aura pas de mari. Alors que c'est pas ça l'important. L'important, c'est sa santé, c'est elle, c'est son épanouissement, c'est ce qu'elle ressent elle. Donc, il y a aussi la société, euh, la manière dont on refuse d'accepter le changement, la manière dont on est fermé d'esprit qui, qui, qui entrave beaucoup plus même que ce dont Attaire a parlé. Parce que on peut proposer de l'aide, mais on peut pas aider quelqu'un qui ne veut pas être aidé aussi. Ouais, ouais, ouais. Donc, voilà. a lahin shugabanni ba ne da za a ce ba amma su ma suna da laihi ba su kara dannawa ba abun ba a yi shi ba a yi shi ba da kyau har da wanda ake kai ma ma wannan canjin wanda wanda ake kai ma wannan taimakon su ma wata ran ba su sani ba ba su sani ba ba su gane ba ba su son ganewa mhm. kuma kai sun ma kiya ne ma sun sun kiyar da abin ne ma da ake kai um <laughs> Farida quand on parle de l'application, quand on parle de, de, de, comment les populations gèrent tout ce qu'on leur amène comme changement, tu te retrouves dans ce qu'ils disent, chez vous c'est un peu pareil ou euh, au Togo c'est ils sont plus ouverts au changement Alors, ça dépend des, localités. Si on prend la capitale, par exemple, Lomé, il faut dire que de plus en plus, les gens sont beaucoup plus ah, ouverts. Même chez nous. Oh. Mais en fait, c'est normal. Dans les villages, oui, c'est normal. C'est normal. <laughs> Parce que beaucoup plus parce que beaucoup plus de sensibilisation, beaucoup plus d'informations, beaucoup plus de formation, tout se fait dans la capitale, malheureusement. Et on a, on a euh, l'impression que les zones reculées sont un, un tout petit peu oubliées. Vous avez une musique à me proposer ah, ah, Je t'écoute. Salamatu. Je pense. African girl. I am an African girl. I am an African girl. Vous savez I am an African, girl. I am an African girl. Ok. Oui, euh, ça fait rien. Donc c'est un collectif d'artistes africains qui ont chanté Afri et Ismarty. Okay. Avec euh, Ife. Ife, oui. oui. Mais voilà, on va l'écouter. Euh, un big up à toutes les euh, jeunes filles africaines, Africaine. les princesses africaines. Et on se reprend juste après sur tout ça la pada. Your skills to love, but you to know. Hey, well, that's just what they say. But who is this African girl? Yeah. Who is this Ugandan? tell me c'est l'intelligence du potentiel des filles africaines. On va euh, directement acheminer euh, cette émission vers sa dernière partie. Aujourd'hui, à la FADA, il est question du respect des droits des jeunes filles, comment leur inclusion sociale peut aboutir au développement. Je viens direct à ma dernière question sur cette émission. Au Niger, plusieurs luttes sont menées par l'État et ses partenaires contre les inégalités de genre à travers des projets sur le terrain. Nous sommes en karatu da musgunawa a Niger pour que toutes les filles aujourd'hui aient le droit de devenir des femmes épanouies, fortes demain. Chacune va me donner euh, la fille, je commence par toi. Et pour ça, on a déjà commencé à déconstruire tous les stéréotypes euh, sur le genre et qu'on arrive à, débloquer ce. C'est le même terme en fait, le blocage qu'il y a au niveau de la mentalité des gens, que mhm. ce soit les jeunes filles et la population en, en entier. Tout le monde est dans des conceptions ah erronées ah ah. de ce que doit être le droit d'une jeune fille et euh, voilà. Il y a l'impunité qui est toujours là. On doit hmm. punir les gens, les gens qui sont en infraction à ces lois-là déjà établies. Merci Nafissa. Je vais vers toi. Euh, à ta La jeune fille a droit à connaître. Ok, la jeune fille a droit à connaître ses droits dès son bas âge. C'est même ça le concept par notre vision dans le cadre de Youth International. Faire l'éducation dès le bas âge des jeunes filles et garçons. Peu importe, puisque là c'est le jeune en tout cas. Nous le concept c'est jeune. Donc les jeunes filles inclus. Asani comment à. À quoi yamata? À quoi pour moi, euh, je vais suivre un peu à terre parce que euh, il faut d'abord que les jeunes filles sachent qu'elles ont des droits d'abord. Parce que si elles ne savent pas, elles vont toujours penser que ah, euh, c'est des jeunes filles, quoi. C'est des filles et ça reste ça. Il n'y a rien à faire. On choisit pour toi, on décide pour toi. Tout est fait pour toi. Donc, il faudrait continuer à apprendre aux filles sur leurs droits. Adama Pour moi, pour que vraiment qu'on arrive à mettre fin à tous ces stéréotypes, comme l'avait dit Salamatou, n'est-ce pas mhm. Donc il faut vraiment qu'on arrive à éduquer les garçons, leur faire comprendre que ah, la jeune fille a le même droit que le jeune garçon, elle devrait avoir les mêmes chances que le jeune garçon. Vous voyez, il faut vulgariser les textes juridiques parce que beaucoup commettent des infractions sans que ces personnes sachent concrètement qu'il ah, y a des répressions, il y a des répressions qui peuvent advenir des différents actes posés. C'est parce que la loi n'est pas répressive que beaucoup de personnes se permettent d'agir comme ils le désirent. Vraiment, c'est long, c'est dur, c'est un processus très long, mais nous avons la ferme conviction que ça va vraiment euh, y aboutir, surtout avec l'implication des médias. Parce que les médias, comme Studio Kalangu, sont en train de créer d'espace pour que les jeunes filles puissent vraiment se prononcer. Et j'encourage Kalangu à aller dans ce sens. Parce que plus ils ont accès, plus ils, sont, ils ont accès aux jeunes filles, plus ils arrivent à vraiment identifier les véritables problèmes, les véritables problèmes auxquels les jeunes filles font face, et plus ouais, vous relayez acquis de droit ces informations. Donc, euh, on vous encourage également. Merci la lutte continue. La lutte euh, continue. amis de la FADA. Ah là, ça fait plaisir là. Ouais, la lutte continue. On n'est pas seul. Euh, on va travailler main dans la main pour faire bouger les choses, pour changer les choses. Effectivement. Avant de se dire officiellement au revoir, surtout ça la FADA, je vais accueillir Olivier qui nous vient aujourd'hui avec sa chronique. Qu'est-ce qu'il y a de neuf sur le web Qu'est-ce qui marche Qu'est-ce qui n'a pas marché On voit ça avec lui et on se dit officiellement au revoir sur Tous à la Fada. Amis auditeurs et auditrices de la Fada, chers amis jeunes, bonsoir. Aujourd'hui, 18 décembre 2021, c'est la fête de la République. La République du Niger a 63 ans et bien au-delà des festivités à Difa, que doit-on retenir de la célébration de la République C'est la question qu'on se pose dans la chronique de ce soir. D'abord, la fête du 18 décembre est une célébration citoyenne qui rappelle aux gens et aux autres la date du 18 décembre 1958. Ce jour où a eu lieu la proclamation de la République après un référendum. Depuis quelques années déjà, une région du Niger accueille les festivités. Aujourd'hui, c'est la région de Difa qui accueille le Niger. Pour plusieurs natifs de la région, cet accueil est également une victoire. Une victoire sur la Covid-19, une victoire sur le terrorisme, bref, une victoire de l'espoir sur le désespoir. Quant aux jeunes de la région, la fête de la République, c'est une belle opportunité d'avoir de nouvelles infrastructures, des cadres de divertissement et développer des petits commerces pendant cette fête. Pour certains, le vrai défi, c'est la préfète. La prise en charge, l'entretien des infrastructures pour leur durabilité. Mais pour le moment, nous ne pouvons que dire bonne fête de la République à tous. C'est la fin de la chronique de ce soir et comme toujours, paix, lumière, amour sur vous. One love. Bye bye. Merci bien, Oli. C'est la fin de tout ça, la fin de la frontière. Au sein, nous étions avec les jeunes filles leaders. Nous étions avec euh, She Impact. Nous étions avec euh, les négresses euh, féministes. du Togo. Exact. <laughs> You for human rights. International. International. Ok, oh là là, c'est la totale. Mm-hmm. À la fin, il était question des droits des jeunes filles. Il ressort vraiment de ce riche entretien avec vous quand on a besoin de travailler main dans la main, médias, euh, structures, État, ses partenaires, pour faire bouger les choses. C'est une lutte de longue haleine, mais on a la conviction qu'on va pouvoir changer les choses. c'est ça, ça, on se dit euh, au revoir. Nos amis aujourd'hui vont continuer euh, ce débat demain avec Mr. Landy sur la question du respect des droits des jeunes filles. Vraiment, qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qui bloque Qu'est-ce qui bloque et qu'est-ce qu'il faut faire C'est Moche Ahoud Alahia,